candidature a rapport ak Sall aussi. waaw ma. ah une élection suñu saako duñ fi taxawaat. di wax les mêmes sujets. mais bu ñu tax wàcc fii dama mel même combat man M23 fii la ma bu ñuy firme Mourou Diop fii la ma fekkoon ñu ñëw encadré Ousmane Tanor Dieng yóbbu ko fii donc tey ñaan ñu fii bu leen combat mais Sénégal démocratie je suis toujours fier à quel point Sénégalais tiennent à leur pays et ont envie d'avancer je pense que loolu mooy mobilisation bi et le combat commence aujourd'hui ñu ñaan yàlla ñu egg sans sans sans mort sans aucun blessé parce que les ça arrive. non ça arrive ça arrive à partir moment à partir moment où on avait dit ba élection présidentielle dañuy def ay pôle fort donc il était normal que gars yi des différences de

pour dire que je vais aller mener ma candidature. Parce que chaque candidature son sens, chaque candidature son histoire. La candidature de Khalifa ne date pas de maintenant. Elle date de 2019, de son emprisonnement. C'est un parcours. Khalifa n'a plus ses droits. Khalifa n'a pas ses droits. Sonko peut être encore un candidat, mais Khalifa n'a pas ses droits. Donc, nous ne pouvons pas son pour le et je le soutiens et je dis aux militants d'être forts. Parce que nous, on était à l'intérieur du procès Khalifa Sall. Nous des avocats, des enfants, ndaw, nous jël len tu es un triant, fausse facture, xas la bangarap. Des avocats vont venir pour insulter son corps, pour l'humilier, pour dire des choses. Il faut que les militants soient forts et que sa famille soit forte parce que ça va être difficile mais après le temps sera le meilleur juge.